aujourd'hui nous avons le grand plaisir quand même de recevoir la délégation du maire national. Thiès a l'honneur de recevoir la délégation des étudiants républicains. Et aujourd'hui, tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à la délégation, en l'occurrence du coordonnateur, M. Abdoulaye Diagne, et remercier encore davantage tous les étudiants républicains de l'Université de Thiès. Donc aujourd'hui, ce qui a amené cette délégation ici à l'Université c'est de s'enquérir de la situation dans laquelle les étudiants de l'UVC, en l'occurrence euh, les étudiants républicains, vivent au niveau du campus pour pouvoir apporter leur soutien pour que le président de la République puisse continuer à émerger dans l'espace universitaire. Nous savons tous que le maire a toujours joué un rôle très important dans le campus, à savoir le rôle d'alerte, le rôle de promouvoir et divulguer le programme du président de la République. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous magnifions la présence des coordonnateurs et du coordonnateur de ce mois, à savoir Abdoulaye Diagne, que nous remercions au passage, et l'ensemble de son équipe pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et je pense que le travail ne va pas se limiter aujourd'hui ici. Après, juste le point de presse, nous allons procéder à la visite des pavillons et ensuite euh, visite des chantiers pour pouvoir ensuite euh, clôturer l'activité dans le restaurant. Bon, je pense que, étant étudiant républicain, comme je l'ai dit tantôt, notre rôle d'abord, c'est de jouer un rôle d'alerte. Tout le monde sait que dans les universités, tout n'est pas parfait. Et en tant qu'étudiant républicain, nous jouons le rôle quand même de rapprocher davantage à nos autorités, de les alerter par rapport à certaines questions qui sont... Quel genre de questions Bon, c'est les questions sociales. D'abord, par exemple, au niveau des chantiers, les sentiers ont été entamés depuis très longtemps, mais quand même ça reste à être achevé. En tant qu'acteur, nous allons transmettre le message aux autorités en leur disant que dès la rentrée prochaine, nous souhaiterons que vraiment les sentiers puissent être achevés à 100%. C'est quand même euh, le rôle du maire en premier et l'objectif que nous fixons, c'est ça pour le moment, que les sentiers puissent être achevés dès la rentrée prochaine. Je vais remercier et féliciter les autorités euh, de l'Université de Thiès, euh, particulièrement le directeur du Crous, mais aussi euh, des félicitations et des salutations particulières adressées à l'endroit du mouvement des élèves étudiants de la section de Thiès. Donc, en plus de cela aussi, féliciter le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à travers les décisions historiques qu'il a prise récemment dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, à savoir la réduction du prix des tickets de restaurant, mais aussi euh, l'augmentation des bourses. Et cela s'ajoute aussi euh, les ambulances médicalisées récemment réceptionnées et bientôt Thiès va recevoir ou bien va réceptionner euh, son ambulance. Donc ce sont des actes à saluer à l'endroit euh, du président de la République. Aujourd'hui, nous avons fait ce déplacement qui est un début de la tournée nationale euh, que nous faisons dans les cinq universités publiques du Sénégal dans le but de relancer les activités euh, des, mouvements des élèves étudiants républicains dans les différentes universités parce que le maire national est une structure nationale mais il a des démembrements. le maire de Thiès fait partie de ces démembrements et nous en tant que mouvement, euh, qui servent d'alerte et de sentinelle dans les différentes universités. C'est une obligation pour nous de s'enquérir la situation de l'ensemble des étudiants sénégalais dans ces différentes universités, tant sur le plan pédagogique que sur le plan social. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu en réalité qu'il y a beaucoup de sentiers qui sont en construction euh, par le président de la République. Donc on peut dire que de 2012 jusqu'à nos jours, le président a fait des réalisations énormes et extraordinaires dont je juge nécessaire en tant qu'étudiant qu'elle doit avoir une appropriation parfaite à l'endroit de tous les étudiants. Donc dans ce contexte aussi, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est au moins en tant que structure politique, de, relancer les activités dans ces universités pour qu'au moins qu'on puisse euh, réveiller les forces dormantes euh, pour pouvoir au moins euh, vulgariser les réalisations du président dans le secteur de l'enseignement supérieur, mais aussi faire tout avec un engagement sans faille pour est-ce qu'on puisse réélire le président de la République dès le 24 euh, février 2019. Effectivement, euh, je pense que dans ce côté-là, je vais même euh, féliciter la coordination des étudiants de Saint-Louis qui ont compris à au moment donné jusqu'à lever le mot d'ordre et les cours ont repris. Je pense que je prends le peuple sénégalais comme témoin. C'est parce que aussi nous avons jugé nécessaire que dans l'université, euh, ce n'est pas un champ de bataille, ce n'est pas un champ euh, où, des crises récurrentes doivent euh, se répéter. L'essentiel, c'est qu'il y ait un climat de paix stable pour qu'au moins qu'on puisse avoir un environnement de travail qui nous permettra vraiment de promouvoir l'excellence. Je pense que dans, nous sommes dans cet objectif-là et tout ce qui s'est passé dans les universités, je pense qu'aussi à un moment donné, euh, il faut que je vous le rappelle. C'est le 30 mai dernier que le président de la République a pris la décision de restructurer le mouvement. Et depuis lors jusqu'à nos jours, nous sommes en train de, faire un travail extraordinaire dans les universités pour qu'il y ait euh, de la paix. Et récemment, on a organisé un match de football, c'était avant-hier, entre les étudiants du mouvement estudiantin et les policiers ça, entre dans le cadre de la pacification de l'espace universel. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui en tant qu'étudiants, c'est de pacifier l'espace universel. Non, ça, c'est une obligation. Euh, parce qu'au-delà de la casquette politique que nous portons, euh, nous sommes des étudiants. Et il faut que la France universelle soit respectée. Euh, donc je pense que dans ce côté-là, il faut que toutes les parties prenantes euh, discute sur l'ensemble de ces questions qui concernent l'université pour qu'une solution définitive soit trouvée. Nous sommes am contentement di dalal euh, wa maire national ñu am vraiment honneur bi ñun at yenen université yi yaakaar ñun lañu rendre visite Ñi leni di ci lolu di en l'occurrence leur coordonnateur qui est à la tête de cette délégation donc euh, lu ñu mëna que wax rek tay mom moy rôle université maire université moi, nous divulguer le programme du président de la République tout le monde sait que depuis 2015 le président est en train de consentir des efforts énormes Rolo moo tax kon euh, encore pour bëgg a président de la République mi ngi koy def université ndax ku chantier en 2014 ku ñëwoon université dara mais tey képp kuy voyage yaakaar naa ni sa bët dina am lum la may que ni le président a fait quelque chose ñun nag suñu war gar mooy ñu gën ko ñaaxaat encore remercier ko ni ko nag lu ñu gën a soxla mooy ñu achever chantier yi balaa rentrée prochaine je pense que loolu mooy nekk suñu combat nekk combat wu bépp étudiant ak bépp combat wu étudiant républicain fii ci à l'université Thiès